retard il est 9h passé exactement de 20 minutes Je rendez-vous à 9h alors euh, de il y a beaucoup d'embouteillages et je sais que beaucoup de personnes euh, vont souffrir euh, je vois juste ici entre l'axe ici euh, Padoua il y a même des gens qui ils ont préféré quand même des centres de transport pour marcher à pied mais en tout cas l'autre ci de maintenant, il y a trop trop de bouchons ici à Dakar en tout cas on vous souhaite de passer une très très bonne journée allah dinañu ñëw ak euh, ci li nga xamantene moy euh, mooy euh, bëss bi comme tous les jours buñu ñu moy ces messages message très important ñu leen di indil ngeen ngeen mën ci jëriñoo tay ak li dess ci sen guerre dund on est lundi juste après ça vous aurez bien sûr la revue des titres bien sûr avec l'actualité donc d'ici et d'ailleurs qui sera commentée avec Abdou Laïmbou, ce matin qui est euh, parmi nous. Euh, bien sûr, euh, il s'appelle M. Amat Badi, docteur en sciences de l'information et de la communication, du conservateur, mais aussi du documentaliste. On va parler de tout ça, Inch'Allah, avec lui, Lolio Bounko de Bolé, comme on votre émission Salam de ce jour béni du lundi 30 octobre 2023. Mes téléspectateurs de Malika TV, d'Alain Diam, soyez les bienvenus et merci de nous recevoir chez vous. C'est parti. gis nañ fi it ñoo xam ne nee nañ góor jigéen garaawul bu tawa danañ ko wax waxee ba nit ñi miin ko loolu it li kilifa diine yi am nañ ci wàll wu diis gann guñ war a yàlla ndax góor jigéen mas naa tax yàlla faagaagal nit ñu bare bare bari benn yoon ña bokk ak ñi ci bokkut ñëpp góor jigéen it su yaatoo léegi tey jàkka yi duutu fees ndax góor ak góor ak góor du ñu am doom mukk jigéen ak jigéen bu ñu mës a am doom kon loolu it kilifa diine am na ci wàll bu baax a baax a baax wàll wi mooy lan képp koo xam ne mi ngi défendre góor jigéen waxuma góor jigéen ci boppam moom góor jigéen moom ci boppam àtte nañ ko ba noppi moom Tuuba ak li ko wër moom góor jigéen bu ñu bëgg fee installé si bay ba mu jënd ba meelam feneen ba defar ko ba mu mel na muy bëgg mu ñëw Tuubaa duñ xaar yàlla di ko àtte wala mu wala mu koy rey dañu reyaale déedéet ndax ku dem ci hôpitaux yi da gis ne dañuy xool nit ne kii li nekk ci tànkam bi wala li ne ci loxoom yi suñu dëggut loxo bi wala tànk bi mën naa wàll yaram mi faat ko lu tax ñu nangu loolu dagg tànk wala dagg loxo wala dagg ay baraam te nanguwuñoo set ci biir nit ñi koy def lu yàlla tere te mën naa teg nit ñi fii dañu da ko fi bàyyi di ko défendre kilifa diine lim ci am wàll mooy euh, kuy défendre góor jigéen mu bañ koo rasawaarati bu ñëwatee këram mu bañ koo gis te bu demee ñu tibb tànki oto ba mu bu mu duggoon sot tuuri ko ca àll ba fu koy nekku ba it kuñ fi defati ministre boo xam ne day wax lu jëm ci défendre góor jigéen wala yi yi ma tudd yépp tamit yàq pas-pas yàq nit ñoom ñëpp ñu maase taxaw ne kooku nañ ko folli du fi nek ministre du fi nek député du fi nek du fi nek du fi nek bam na gàññ lolu seen waru gar la buñ ko défé ak buñ ko def ak itam kuñ na gor jigen laat né koy défendre ñep ak yéñu jëfëndiko yëpp lu leen ci mëna jox ak lu mëna tudd ñu bañ ko jël tay dig né kenn bañ ko jël ndax bokk yi Sëriñ Tuubaa mo bind ne wajtanibu xultata haulaai لأنها من أقبه الأشياء ومن يشاركهم هنا في عزهم يكون شريكهم غدا في ذلهم كبكو خمنا جسمنا كيدا دفل يا الله ترى بمن فان فان عرال ترى يوران ترى يقولكو سن بنانا كو دفل موم مجحلا لا سلام بكم سالم سالم وخم dafa am ku fi nekkoon président de la république mu aay ci moom lool ca jamono yàgg ya jamono sengoor bu ñuy wax ci sengoor moo ciy gën a xumbale kat moo leen di ëpp ay lay yuy tax ñu bañ sengoor sengoor woolu ko jox ko oto bu muy war ak bu muy def ay bagaasam ak ceeb bu bare xaalis mu def ci boosam bis ñuy wax ci saa bu ñuy waxate ci sengoor mu jóg dem wala mu noppi ñu ne ko lu tax doo wax mu ne fa ñu ma leel fa ñu ma leel kat wax bokk yi leel boobu ñuy leel leelaate mën nga caa suur léegi lekk ko suur gëmmentu nelaw yeewu mu rees yàlla di la xaare nag bu ëllëgee buy sëdd waaja faaw ñu sëddali la ci état mënut a àtte góor jigéen mënut a àtte ku def avortement mënut a àtte mënta atte mënta atte ginnaaw mënta atte ne nit ñi di atte seen bopp kon buñ ko xam ba mu wóor kooka moom nañu ko rey te bañ koo suul bu dee Touba lañu bañ koo suul Touba ndax suuf Touba du ko soxla noonu ko tu su suuf Touba seexloo noonu la seexloo koo xam ne day défendre góor jigéen te lu mu leen dana ko jaral jullit yi mu merci beaucoup jërëjëf loolu moo nekkoon li nga xamantene moy sen euh, yobalu beus ñu ngi leen ci wat bu baax baax di leen jaajëfal ci taw bi ngeen taw Malika TV mu leen di bëggal ci subatel gi sen émission salaam moy Dali Tambali. merci de nous rester fidèles merci beaucoup à euh, tous les euh, téléspectateurs merci beaucoup à Oumou Khayri Bass qui a assuré bien sûr la semaine dernière à mon absence merci beaucoup à tous vos messages vos appels jërë ngeen jëf yalla yàlla fay leen yiw gis nañu li nga xamantene moy mooy ñaani ak yene bi salaam euh, moi Tambali Abdoulaye alaikum, c'est un réel plaisir de te retrouver ce matin. ben pareillement je di bu euh, hmm. sinon le week-end ça a été. Alhamdulillah, ah. alhamdulillah, Reposer un peu, un peu. Bon, il n'y a, jamais, y a jamais un temps pour se <laughs> reposer. Dans les médias, c'est ouais, pratiquement du lundi au dimanche. Oui, oui, I'm telling you. Il n'y a, a, pas, y a pas de week-end comme dans les autres secteurs d'activité professionnelle. Oui, Voilà. Il, nous faut des vacances vers Genève. Hein? Waouh, ça. Il nous faut vraiment des vacances ah. vers Genève. Moi, c'est ce que le médecin m'a dit, il nous faut des vacances. Hein? D'accord, j'en prendrai alors. Non, il faut, il faut un repos. <laughs> il faut un repos, psychologique. Ouais. Un repos au vrai sens du terme, en fait. Un repos surtout psychologique. Ouais.

Euh, sur tout ce domaine de compétences. Euh, c'est vrai que conservation ou un conservatoire mais quand on parle d'archiviste ou de documentaliste souvent quand même c'est des métiers qui existent qui sont bel et bien là moi j'ai des amis archivistes que j'aime bien taquiner souvent euh, mais mais quand même il faut qu'on en parle et on va parler de un peu de, tout ça tout à l'heure ce sera avec vous Inch'Allah. Euh, éventuellement aussi di nga vous sa xalaat ci li alors Abdoulaye Mbou, dañ koy di ak li euh, le soleil comme tous les jours Inch'Allah. immortalisé par la euh, mairie de Dakar Plateau le président euh, qui est reconnaissant alors avenue président Macky Sall euh, mu remplacé di remplacer avenue bu avenue Faidherbe fii ci Dakar C'est ma juumul ah. waaw waaw waaw mhm. ah, defe naa ni Saint-Louis moo ko Tambali, tàmbali. ak ministre maire. waaw mm, ndar Ndari yi seen wàllu bopp mhm. ni du fi euh, ministre maire fichin ci du Alendoy mhm. par ailleurs maire de la collectivité euh, territoriale Dakar Plateau mhm. bon dans le fond mhm. je suis pas contre que tous des tour mais tradition républicaine dafa tam dafa am tradition républicaine taxna depuis cinq jaar ci Abdou Diouf jaar ci Abdoulaye Wade président en exercice bo nañ euh, boo xam euh, ministre en plus dont la dont tuddee le maire la mujjee ñu inauguré en grande pompe on mobilise pratiquement toute la république ministre on on faire ay tribune taxaw mu en réalité dara la bañ koy ba si baptême mhm. de l'avenue du président Macky mhm. je dis encore une fois bon dans le fond tamit boo soubassement politique mënu see ñàkk. ak euh, contexte bi ñu mais bon selon moi dal, defe naa ni dal, na hmm, euh, par rapport à que euh, liñu am ci walu taarix ci histoire dal mhm. defe dal ni du lo xamné dañ koy ñaawlu. Mhm. mais amoon na nenn nuñ ko wara mëna défé effectivement je pense que une cérémonie comme ça ah waro nañu mëna mettre en avant la sobriété. Ouais que du bon, quand le président dit nous sommes des bâtisseurs et non des casseurs, mhm. bon, là également, <laughs> voilà, c'est la connotation pour moi, elle est politique. Hein. Parce que moi, je suis allé à 2012, là, fallu. 2008 2012, il y avait une opposition qui était là, il y mhm. avait des casses également, il y avait des bus qui étaient brûlés, mhm. il y avait des agences de, de structures nationales Senelec SDE ils sont totalement caillassé dem nañu ba structure une société nous dañu loué louer ay pour faire des agences. agence on a vu des voitures brûlées mhm. on a vu des bus qui ont été dañ ko jël université étudiants yi tëj mhm. donc ça dit dire que notion de casse dans une manifestation mhm. mm, souvent dañu yuuxu parce que mun na am extrême am na ay extrémité ñuy atteindre mais mais mais mais je dis encore une fois euh, xam Gustave Le Bon lu mu dans la psychologie des foules la notion de bestialité quoi des foules. Mhm. parce que am na loo xam à la kuliyal si foule mën na si am. mu am fu mu yem wala mu yegg extrémité mais dans tous les cas bon on, va continuer d'épiloguer sur le sujet. am ba mais je dis encore une fois euh, quand le président. Macky Sall inaugure l'avenue du président Macky Sall. Mhm. bon xam nga li <laughs> ñu si war a mën a jàngat. bëri bi bari na. Bari na alors euh, y a eu même euh, les gens sont même revenus avec bien sûr euh, euh l'exemple soir avec Sonko qui voulait rebaptiser. ah, nous des noms ñu bañ ko. Sonko jël na ay tour <laughs> ay tour yo xamné historiquement. culturellement. Ouais. am na lu représenté au Sénégal. Mhm. am na lu mu représenté en Afrique. Mhm. à travers li nga xamni ni euh, ceux-là qui ont incarné un certain panafricanisme à tout point de vue. Ouais. Aujourd'hui, ce sont des figures qui, qui sont des, des, fiertés justement pour, pour, pour l'Afrique et, la diaspora. Mhm. Mais bon, bon côté fait, ëllëg sa dañ ko ko un mhm. dañ ko ko bañal mhm. te moom si wàllu un maire la maire bi nu un sañ-sañ avenue président Macky Ousmane Sonko en tant que maire noonu la amee euh, sañ-sañ à avenue Patrice Lumumba Nous avons la amee sañ-sañ duppee Thomas Sankara mhm. noonu la amee sañ-sañ après ab Kenel. keneen si si le figure en Afrique si le figure au Sénégal mhm. donc je pense que deux poids deux mesures mhm. euh, par rapport à ce déséquilibre que l'on constate defe naa daal a proportions aujourd'hui Motar, c'est l'un des régimes qui euh, Djoum, il y a M. Ba qui est là pour me rectifier plus tard. Mhm. Mais si, si du mouvement, je n'ai jamais vu, parce que j'ai fait les recherches, je uh -huh. sur la bonne source, mais si le régime a signé autant d'intellectuels mhm. pendant un temps, un délai aussi court, mhm. qui prennent la plume pour dénoncer certaines exactions. quand même. tu vois le nombre de professeurs, universitaires, agrégés, avocats, cette plateau d'intellectuels-là mhm. si ben diir mhm. nous si remettre en cause l'état de notre démocratie qui est véritablement en déliquescence mhm. qui ont remis en cause le niveau de notre état de droit en tout cas je def naa recherche je ne ah, donc la manque autant de de personnalités de euh, ay position c'est des positions assez tranchées. il faut reconnaître quand même il y a y a beaucoup de choses à dire quand même euh, depuis certains temps dans ce pays quand même loolu il faut vraiment le reconnaître alors monsieur en tant que docteur en sciences donc de la communication ou même conservateur ou même documentaliste euh, lan nga xalaat ci li nga xamantene moy rue bi ñu duppee Macky Sall bon euh, vraiment ak liñ ci gis démb cette coloration très politique il faut le reconnaître ay ay nduróoleeg avec <laughs> ah, ak yu mel ak et tout ça aux couleurs de PS et aux couleurs du euh, de l'APR. waaw li mu wax ni rek. Mhm. laay fekk. Mhm man nañ ko tuddee président de la république. Oh. même su fekkee ni xëy na c'est la première fois ñu gis un président en exercice en fonction ñu tuddee ko dara. Oh. waaye loo gis tamit dafa am peut-être muy njëkkee. Oh. loolu peut-être c'est pas peut-être le mauvais côté de la chose. waaw li ci des mooy. mënoon nañu vraiment def sobriété. waaw ak lu mu mënti doon mënoon nañu def sobriété. ci loolu la ñu bon. Euh, tout rue ay nit ñoo xamni ñi ci ñun lañu bok ci suñu histoire la bok que ça soit des figures historiques ou contemporaines. Mhm. man ma ci dara lu yàq. effectivement waaw mhm. mën nañ ko tuddee président de la république xëy na tey président de la république il est en fonction. Mhm. d' accord. mais quand même bon sobriété bi ci war daal bu dee ci lii ak ci leneen yëpp ci yem. Euh, le train de vie de l' état de façon générale. dafa nekk loo xam ne dañ ko war a seetaan. vraiment.

C'est vrai que euh, euh, reconnaissance à, à, vivants leur vivant aussi, c'est important quand même. Euh, c'est important. le soleil d'Adi, il def tey ci soleil tournée économique du premier ministre donc de nouveaux hôpitaux annoncés à Thiès et à Mbour le parquet de Kaolo qui ouvre une enquête donc ci le corps du présumé homosexuel exhumé et brûlé on en parle tout à l'heure alors en parlant de de cette tournée économique aujourd'hui Premier ministre euh, candidat à la candidature Amadou Ba sera à Tuaoune d'ailleurs euh, nos équipes sont déjà sur place peut-être que nous bu fait que nous yegg dinañ Ou jël Oumou en direct de de Inch'Allah alors gannaaw li nga xamante euh, euh, le soleil ñu avons ci un journal. Euh, je suis aveugle là Aïtje euh, l'observateur coût élevé donc de la vie en Afrique pourquoi le Sénégal est champion alors on en parle depuis des années Nini ñi Diko mais euh, ça devient de plus en plus sérieux en fait euh, cherté de la vie c'est c'est devenu un casse-tête mais ce qui est grave, c'est que les Sénégalais continuent de subir Moi, euh, j'ai bien aimé euh, <laughs> le nouveau son de Ngaka nee na ñun ñooy kaas ñun mais bu subaa ñun ñooy dem ce qui veut dire que ne nangu ça veut dire qu'on accepte. lu ñu casse kaas lu ñu def def lu ñu wax wax bu subaa dañuy dem marché jënd ah. le coût élevé de la vie au Sénégal. Ah. le Sénégal devant des pays comme la Côte d'Ivoire. Ouais. le Nigeria le Botswana l'Afrique du Sud. Euh, le Malawi les Seychelles le Cap Vert. Mhm. et cetera et cetera. extra donc te euh, booy xool dëkk yooyu yëpp dund gi moo fii la gën a fii la gën a tare fii la gën a mhm. te booy xool. Mhm. Mm, bu ñu nee ni wax ni au Sénégal am nañu taux de croissance bu baax mais comparativement à d'autres pays yi ma tudd da nga gis ne dëkk yooyu euh, si walu croissance seen croissance moo gën a stable. Mhm. croissance bi boo koy xool la croissance liée au produit intérieur brut dëkk yooyu seen wàllu bopp ñoo ñu gën a baax la. Mhm. tu prends le cas du Botswana c' est un exemple en Afrique. dëkk yooyu tey nii booy xool. Euh, en matière de stabilité, jamono ji Tu prends le caver aujourd'hui, le caver fait des alternances mhm. sans tambour ni trompette. Il il fait des alternances le tam le bulletin unique depuis belle lurette. Mhm, mhm. ça constitue encore une fois un sujet de débat chez nous. Euh, li nga xam Euh, li nga xamné mom spéculation sur le marché. Mhm. avec comme conséquence ben inflation euh, autrement dit gonflement des prix. nous mhm. ñuy constaté lu Mali le Mali est en crise. politique. Mhm. Le Mali est en, le Mali est en crise sécuritaire. Et pourtant il y a énormément de produits de première consommation qui consommation Mali parce que nous, il faut quand même que que fassions une chose. Nous, on compte énormément sur les sur les recettes euh, sur la sur les recettes fiscales. parce qu'à peu près même recettes fiscales yi. Mhm. moo ëpp li ñu pétrole di par an mhm. le pétrole le président Macky Sall a dit c'est 700 milliards. c'est à la milliards la fiscalité nous en sommes à près de 1200 milliards da ngay gis nous avons la prouesse des mhm. services des douanes des douanes 600 milliards donc pour te dire que euh, nous ne mu pas le nid, ñuy la spéculation si le non maîtrise du marché intérieur et man je refuse toujours le fait que ñu oui les chocs exogènes les chocs exogènes mm. aujourd'hui la guerre russo-ukrainienne a bon mais pour moi les chocs sont beaucoup plus endogènes qu'exogènes parce que moi jëlee pomme de terre soblés, moi mm. j'ai les jëlee moi j'ai les nangam nangam lu mu jotee Ukraine bisaab le coût de la location lu mu jotee Ukraine <laughs> intrant yi nga xam ni cimenterie yi ñu ngi fi trois mm-hmm. li ñuy importer si intrant dëgg la naam am na foo xam ne tolloon na si wàllu yokkute bi mm-hmm. dû aux impacts de de de la pandémie à coronavirus ak euh, ak yenn instabilité à travers le monde mais ñun ñu am trois cimenterie ba pare ciment di gën a cher Sénégal que dans d'autres pays la sous-région donc loolu mooy cool yi c'est-à-dire que ñun la ñuy dugal si wàllu lempo bi dafa 10 10, gars go effectivement euh, forcément des répercussions négatives si si poosu consommateur mhm. donc ñun il faut quand même que la croissance dont on parle bonne croissance euh, euh, croissance hors hydrocarbures nous en sommes à à peu près 5,3 ces mhm. prévisions selon le FMI en perspective hein, de 2024 Nous, nous projetons vers une croissance à deux chiffres mais quand est-ce on dira fait la croissance est en train de se manger ah, Bonne question. Ouais. Jusqu'au moment où nous parlons, chez nous, la croissance ne se mange pas. Du tout, c'est juste c'est bah, <laughs> Alors, alors M. vous, vous, vous peut-être qui avez euh, vécu Senghor, avez vécu Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, quand même, euh, il faut reconnaître que dernièrement, quand même, le gorgolou sénégalais, Brom comme, comme nous, on est en train quand même de vivre un calvaire quand même. C'est ce qui est. C'est ce qui est. En dehors, comme nous l'avons dit, de facteurs exogènes yoo xam ni xëy na du ñun ñoo ko moomal ñun ñoo ci mën a agiral suñu bopp directement. Mhm. am na nag loo xam ne aussi war nañ ko seetlu am fitu wax ko. Mhm. man damay jël rek sama koñ. Mhm. lu mot ñaar ñetti bitik a fa nekk bitik boo dugg daf lay jaayee lu ko neex. waaw c'est aussi c'est vrai euh, les impôts ça coûte cher 18 c'est assez élevé sur presque tous les produits en plus de 18 il y a toujours peut-être quelque part quelque chose de plus mais il y a des choses qui sont ne ci ñun sénégalais la bokk euh, man ci li ma ci li c'est ñaawlu lu gens bu ont a baax la da ngay gis euh, nit ki bu yor def ci comme li ci wax ni nii ñu waxee def ci laxas jaan mhm. def ci ce jaan nañu man

man li may ñaawlu aussi mooy boo jëlee taxi tey. amul taxi boo xam ni dafa am compteur compteur bi man ci li ma jàpp ak li ma gis li ma dund taximan yi ci seen bopp ñoo ñoo bañ compteur bi. ñoo ko bañ boo ko waxee ñu ne la nii ne la mais ñoom ñoo bañ compteur bi. parce que hmm. fi ngay jëlee compteur bi yow. xëy na ñoom li ñu lay taxé trois fois plus lay doon. wax naa hmm. kook ak taximaan ma ne ko moo tey ngaa nangu mu ne ma noo compteur bi moo gën a yomb ma ne kon kay bàyyil ñu kii ko lu tax yow nga nangu nga nga nga nangu waxaale bi. waxaale bi moo gën a cher compteur bi. Mhm. loolu dafa di loo xam ni gouvernement bi ci boppam nag moo war a taxaw am ci taxawaay boo xam ni dañ koy gis am ay contrôleur économique yu nekk fii di di contrôler prix yi nit ñi di ko gis te foog naa ni am na ci yoo xam ni. buñ ko jàppalanteeg jeunes yi nga xam ni tey nee nañu liggéey bariwul kii amul lële amul maire yi ak association yeeg yooyu am na yoo xam ne buñ ko defee mhm. ci quartier yi ak ci maire yi mhm. amaana mën na am Euh, contrôle yi ñuy wax prix yi ñuy wax au moins mu am surveillance bo xamni jeune yi ci quartier bi mën nañ ko top mu am lu ñu am euh, way lay étudiant wala yu mel noonu waaw li ma bëgg wax dal moy mhm. wax dëgg yàlla moom mhm. euh, dundu bi metti na dundu bi metti na eh. kër yi metti na ci ñëpp waaye nag am na loo xam ne ci suñu bopp la mais en dehors de ça effectivement bon c'est le gouvernement qui est vraiment le responsable et qui doit peut-être trouver les solutions idoines alors, euh, c'est vrai que problème de priorité là, hein, il faut le dire. Je pense que c'est un problème de priorité là ci suñu gouvernement Nous avons ñu ngi ci priorité mais peut-être priorité à ce qu'on vit, mon, ce dit, il faut dire que euh, euh, le Sénégalais est en train de souffrir donc de tout tout tout bord hein. euh, courant euh, ndox. L'école bu cher comme ni avons ko transport bu euh, donc euh, imaginez euh, un Sénégalais qui qui dépense plus de de 000 francs la semaine pour aller travailler juste transports, quand même c'est c'est énorme et lolu mën nga ci lim donc c'est c'est juste extraordinaire alors euh, ay problème de priorité la euh, xam naa vous avez ci une bi mais ça va euh, parce que aussi moi l'acquisition des objets de Senghor là vraiment ay ay point d'équation la def peut-être moi en tant que conservateur ah. en tant que documentaliste am nga ci point de vue peut-être man ah. pour moi je me suis dit que problème de priorité là, mais nga peut-être ay vous êtes expert dans ce domaine peut-être am ngeen ci un point de vue waaw lolou nak xam nga nit lo loo xam ne yow si sa la bokk waaw ci sa cosaan la bokk ci sa le la bokk. lolou fogna dina am lu mu jar waaye amul njëg comme on dit il euh, y a un coût mais il y a pas un prix. ok man bokk ci sama walu bop non rek la ko mun non non ko war a lo xamni li ni lii Senghor a ko moomoon. te Senghor ci bopom wax deug yalla mom rek ci bopom patrimoine la. Mhm. lepp lu tax ci mom mën nañ ko war nañ ko mën a wat D'autant plus que c'est vrai bon on a parlé de 160 millions ou quelque chose comme ça. c'est un milliard plutôt. Mhm. bari na ci boo ko déggee nii euh, d'accord waaye nag euh, dafa am yoo xam ne yi euh, da koo jar ndax suñu memal la ñoo ko moom xëy na nag càggante am na ci. waaw càggante am na ci ba li nga xam ni ñun ñoo ko moomoon mu féete ñu feneen ba. ñu di ko di ko jëndiwaat. loolu aussi càggante la boo xam ne xëy na ci gouvernement bi la jóge c'est vrai que à un d'un certain point de vue il a du privé là-dedans parce que ay bagages yi Senghor la woon yu mu moom moomaloon boppam. Mm-hmm. waaye nag. loo xam ni Senghor bi mu nekkee président de la République dañ ko ko joxoon. waaw loolu état du Sénégal moo moom. vraiment parce que objet objet yi ma fi gis c'est vraiment c'est des objets yoo xamante moom dañ ko ko ah. jox. Ah. parce que président de la République la. Mhm. moom moom ko moom. Euh, Sénégal moo ko moom Senghor moom ko waruñu woon sàggan ba muy génn ci ci am na foo xam ne dañ ko fa waroon a denc mhm. tey musée bi ñuy wax bu ñu ñee ñu yóbbu ko fa wala yooyu loolu dafa waroon am bu njëkk mhm. tey ji président Macky Sall am na yoo xam ne buñ ko ko joxee moomu ko Mhm. Sénégal lañ ko jox mhm. moom mooy taxawal Sénégal ñu jox ko ko mhm. waaye nag Sénégal ko moom daf buy dem da ko fii bàyyi am na am na su ma su ma si jotee tuuti parce que li ñu jot si xibaar mooy am na Colette euh, comme amul lu topp si ginnaawam loo xam ne mën na ko euh, hérité bon mu mu maye ko euh, foofu nga xam ne mooy ville foofu mu nekkoon mu waaye nag dañuy fàttali ni Senghor du du Colette rek moo nekk moo nekkoon soxnaam. Mhm. parce que tamit du Philippe Maguilen Senghor kese nekkoon doomam. Mhm. parce que Senghor soxnaam bi njëkk mooy Ginette Eboué. ok Ginette Eboué mooy doomu Félix Eboué. Mhm. Félix Eboué moo nekkoon gouverneur de l' Afrique française. moom ak Ginette euh, am nañu ñaar doom. kenn ki Guy la tudd moom il est mort en kenn ki Arfan Senghor. Arfan Senghor moom nag dafa dagg buum bi ak baayam ak Sénégal. dafa wël ginnaaw baayam. wax ba jamono ji amuñu information ni euh, ñàkk na bakkanam bakkanam Arfan il est né vers 1947 si je me si je ne me trompe. ok donc moom si wàllu boppam euh, mi ngi dund si luñ jàpp mais daal bi mu wanee ginnaaw baayam depuis autant d' années des décennies ak léegi moom daal amatul benn contact ak famille kenn xamul fu mu nekk nag waaye ma nga tugal. Mm. donc comme kooku nag feeñul fësalul. Mm-hmm. bon bagage yi. ay sëtaati sët ay jarbaati jarbaat ñu ngi fi parce que si tu te souviens en 2000 il y avait un candidat euh, qui Senghor là c'est un neveu de Senghor. Ouais ouais ouais. Mmh, J'oublie le nom. Oh. effectivement c'était c'était un candidat à la à la, présidentielle de 2000. Ouais. Euh, donc euh, mi non, noonu. Hmm. léegi que euh, comme nous récupérons nañ ko baax parce que tamit montre Senghor. Hmm. le Senghor là, cravate Senghor là, boo du point de vue de la symbolique on a lui représenté historiquement pour notre pour notre patrimoine historique et culturel quoi mmh, mmh, mmh. te ñu yóbbu ko fii les dents de la mer exposé ko bu dee foofu lañ koy nous nga dugg xool médaille bi xool lii ni Senghor ko moomoon tamit baax parce que Senghor nag mun nga ko ko contre contre c'est un patrimoine comme na doyen waxee parce que tamit vous euh, ñu fàtte ni c'est le premier président du Sénégal benn moo fi moi, je fi créé première formation politique au Sénégal. avec le bloc démocratique sénégalais en 1948. Donc, mhm. il a beaucoup fait c'est important alors c'était juste une parenthèse par rapport à la fierté de la ville et puis bien sûr de nos gouvernements ci observateur ba retrouvé enquêteur donc sur le drame des mamans séparées de leurs enfants j'ai frôlé la dépression selon une femme Malik Gakou l'interview de la euh, campagne l'interview de campagne mu ngi ci observateur ba euh, l'observateur qui est revenu sur Amadouba, l'accueil populaire et les milliards d'investissements fiti fii ci diwaanu Thiès le ci li nga économique grand observateur euh, ñu jall ci benen euh, journal pour xol benen journal lu mu euh, xeyé les échos alors les échos qui revient bien sûr avec Boubacar Kamara, qui demande le report consensuel du scrutin le Sénégal ne peut pas supporter une élection présidentielle dans quatre mois au regard de la tension dans le pays nous devons travailler pour aller vers une élection inclusive, vers la participation de tout le monde. waaw mm, xalaatam la en sa qualité d'acteur politique mais mhm. également de candidat déclaré mhm. euh, parce que moi, si jàngat euh, si li nga xam ne comme nañ ko mu wax ko Sénégal il faut que la braise couvre sous la cendre comme ni ñu dit. Mhm. Madame, la tension elle est euh, l'accalmie mais l'accalmie, c'est ce que la mun na ba si na c'est la tension c'est le yung, yëngu si à secousse par rapport à ce que nous avons ñu nous depuis mars 2021 quoi qu'on puisse dire euh, élection bi itamit le principal opposant et le leader de l'opposition qui, nga été nañu ni positionné pour gagner cette élection présidentielle mi ngi ci prison bi gestion de justice juge bi exigé ordonné administration de mon top à travers la direction générale des élections. ce qui est très grave. oui ba tax na moom si wàllu juge bop ñu yónnee ko inspection générale de l'administration de la justice IGAJ donc pour quel motif est-ce une forme de pression on ne sait pas mais dans on attend de voir. Hmm. donc loolu yëpp buñ ko dëxëñee Boubacar Camara mom mu japp ni nak bon fu mu toll ni organiser fi élection ci ñenti surtout que dafa am pénurie de parrain. waaw parrain amul. <laughs> pénurie de parrain dafa am léegi nag mu ne loolu nag cocktail la boo xam ne euh, c'est un cocktail explosif. de bës bu bës bu étincelle booyee fenn. lu nekk mën na see juddu. moom mu ne kon boog est-ce que acteurs yi duñu waxtaan seen biir. Mmh. ñu xool la meilleure formule pour une date consensuelle pour un mois consensuel pour un jour consensuel pour une dame sélection élection chacun est libre d'interpréter mais je ne fais que rapporter mm-hmm. mais dans tous les cas mm-hmm. euh, à coup sûr la majorité des acteurs ne voudront pas d'un report Oui, ça c'est sûr la majorité même des acteurs ne voudront pas d'un report mm-hmm. ba na euh, le maintien profite à qui mais également euh, un probable report profiterait à qui à qui <laughs> voilà. <laughs> alors euh, monsieur Ba ce ci ci langue politique parce que actuellement quand même euh, ce qu'on est en train de de vivre dans ce pays comme je l'ai dit tout à l'heure depuis depuis quand même que le Sénégal est le Sénégal quand même nous, nous, depuis 2021 quand même c'est vraiment historique comme je dit, on est en train d'écrire l'histoire euh, di dund loo xamante quand même peut-être nous, ndaw ñi on peut dire que ne nous ko peut-être vous vous direz le contraire mm-hmm. mais quand même euh, c'est, une situation très sérieuse quand même qui se passe dans le pays c'est une situation très sérieuse mm-hmm. loolu moom lu am la mm-hmm c'est la première fois qu'on voit autant d'universitaires euh, mhm. écrire ou en mhm. tout cas décrier la situation et autres loolu aussi dafa am lu muy àndal dafay am lu muy Sénégal amna fo xamné xam na fa tollu bobu bon man dama koy wax parce que dama ko dégg rek dama mm. dans les années 47 et autres avec le bloc démocratique sénégalais ak euh, même un peu plus récemment les les les assassinats de de de Mbour avec le maire de Mbour Demba Diop à l'époque mm-hmm. yu démé ak euh, en 65 euh, la tentative d'assassinat du président Senghor am na fi cocktail yoo xam ni xëy na meloon na ni waaye nag tey jamono dafa toll foo xam ni ni ñu ko daan déggee lu xew ak tey bokkul tey dafa am yoo xam ni bu xewee à l'instant tey ñëpp dañ koy yëgandoo boobu xëy na yàgg lay doon li ci des mooy tey aussi sénégalais yi jàng nañu am nañu fu ñu biralee seeni euh, li ñuy xalaat fu ñu ko bindee fu ñu ko waxee ñu dégg ko te spécialistes bari nañu ça ça peut expliquer aussi que quand même on est noté euh, qu'il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre mhm. li ci des pour en revenir à li acteur politique bi wax ni Camara mhm. comme ni mu ko waxee dama yaakaar ni ñu bëri ci politique duñ ci ànd ci acteur politique yu duñ ci mhm. mais non seulement ça mais aussi y a un calendrier républicain ouais, qui est déjà établi et cetera et puis, bon, il y a des dessous hein, à qui profiterait le, ce, ce, ce, ce report-là, euh, etc. etc. ba nga xam ni man de ci sama wàlli bopp sama gis-gis du ma politicien nag. Mhm. gis-gis bu gàtt la am ci politique waaye dama yaakaar ni xëy na cocktail bi ñuy wax tey jii amana, bu fekkee ni élection am na. Mhm. dina am lu mu ci wàññi. Mhm. bam sax bu fekkee ni xëy na élection yi ci ñi mu demee nii ñu naan élection inclusive yi exclusion am ni nii yii nale oui, man ci li ma jàpp que su élection bu ñu ci en train dañ parce que aussi euh, c'est un calendrier républicain ñu xam ni Donc respecté. Euh, li ngay bëgg wax mhm. il a en tout cas jusqu'ici je n'ai pas entendu je n'ai pas noté de report d'élection présidentielle Il mhm. y a un report législative il na a mhm. ay report d'élection présidentielle fi de sorte que cas, il na mu am mooy gën alors Mungok, euh, le le Boubacar Camara en tout cas wax euh, comme ni respecté parce que je suis borom xam-xam la la langue politique de Victorine ministre euh, donc qui est satisfaite donc de l'impact des financements sur les populations 692 millions ont été décaissés en moins d'un an di alors alors on peut on peut se dire quand même la guerre des Ziguinchor euh, moo ngi parce que écoutez on sait que ces financements là c'est à des fins politiques quand même bon. Hmm. même si c'est des Sénégalais ñoo koy. par ailleurs elle est désignée ah. par ailleurs elle est mairesse de de hmm. elle a été challenger de Guy Marusanya mhm. lors des élections législatives. Mhm. Euh, nekkoon tête de liste départementale euh, Guy Marius nekk tête de liste départementale ñom ñaar wane nañu quand même ben ben ben ben attitude de gentleman té amna sa ben gentleman agreement bo xamné vraiment fof sa Ziguinchor dox na sen diggante parce que quand même c'est c'est ce sont deux figures mhm. rares C'est lan la noo politique Sénégal yo xamné tok nañu débattre mhm c'est un exemple. en fait tu, euh, parenthèses la face cassée de Guy Marissagna hein. quand beaucoup de personnes le taxent de de violent de de ne je sais pas quoi mais Guy c'est un gentleman. non mais attends au vrai sens du terme hein. non en fait pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que Guy, il a une longue expérience politique. Ouais. les gens, ils te parlent activistes, activistes mm-hmm. Mais Guy, il a été formé dans les rues, ruelles et avenues et carrefours de la gauche. C'est-à-dire que les gens dañ koy <laughs> occultés. j'en sais quelque chose. Mhm. <laughs> parce que tamit mm, koo le lycée. Mhm. nekk moom université. bokk ak voilà donc euh, Guy bon il a fréquenté des parts de la gauche il a fréquenté d'éminentes personnalités de la gauche, Fosse Moupati Gueye, euh, les Ahmad et autres. il a été aux côtés des faux de Roland Diagne, euh, euh, professeur d'histoire, qui est par ailleurs petit-fils de Blaise Djang, professeur à l'université qui de Paris, là, Paris 3, je ne sais plus, mhm. professeur d'histoire. Il a été euh, aux côtés de Ludovic Aliodo et tant d'autres. Hein. Mhm. Donc, nous savons dafa yàgg sur le terrain. Mhm. déjà dafa yàgg sur le terrain politique. dafa yàgg sur le terrain de la contestation c'est pour véritablement mettre un coup d'arrêt à ce à cet impérialisme économique bi nga à travers toutes les gestions de Bretton Woods mm-hmm. Guy il écrivait dans le journal Khaloui »« anciennement Ferniente Ben instant qui était Khalwi mm-hmm. qui est redevenu Ferniente donc bon moi tax gars yi bu wax dañ ko mais au-delà de ça nit la il a une attitude responsable mm-hmm une attitude bo xamné très responsable dafa jóge ci nit ku ñu yar. Mhm. xam nga. saa mhm. lu may tam wax rek gi bu ñoon tey Malikia. Mhm. wara dem parcelle lamb posam amul amul amul ñaar du ñaan day dox <laughs> dégg nga ma du ko ñaan da koy da koy dox. donc pour te dire la personne. donc bu demee ba Ziguinchor. jàkkaarloog beneen benen jigen bo xamné wane na tamit ben attitude responsable. tam c'est à saluer. la mom. Uh-huh. elle est ministre. Uh-huh. et pas pas pas n'importe quel dans pas dans n'importe quel département parce que microfinance d'ailleurs uh-huh. microfinance donc elle fera tout pour injecter autant de financement possible pour soutenir les jeunes des jeunes même si par ailleurs ligué bimwar dans toutes les localités autres localités du Sénégal. mais dans le ça lui permet de, de, travailler pour avoir une assise politique beaucoup plus élargie. Mhm. Donc, loolu je mënoo si fi mënoo si dingi xam nga Moustapha Diop bu Louga mhm. moom nekkul ministre plein mhm. moom ministre délégué Le ministre délégué à la microfinance mais ministre délégué microfinance boobu la utilisé ba imposé à Louga <laughs> bañ koy woy xale carte gab xale <laughs> carte gap. xale carte gab euh. voilà maintenant euh, aujourd'hui, récupérer Ziguinchor, mhm. pour moi, en réalité, ce n'est même pas un travail de titan. Non, <laughs> Ce n'est même pas un travail de, titan, euh. c'est à la limite une illusion. Mhm. Une illusion. Parce qu'aujourd'hui, Ziguinchor, nous n'avons pas nga tegle ay élection élection que fa nek maire ak ñamu andal ñofay gagner au vu véritablement de faire, hein, mhm. et les faits sont têtus c'est-à-dire lu fu munti xew quelle que soit la nature de l'élection bu ñu qui est ka fa et maire ak ñamu àndal ñoo ça c'est sûr loolu hmm, c'est acté. ça c'est sûr man bon di nga def grignoter di mmh. grignoter am mmh. Mmh. mais je dis encore une fois la majorité la majorité et la totale majorité. aujourd'hui vous avez une élection la majorité la totale majorité votera pour le Sonko ou en tout cas le partisan de Sonko. Le partisan de Sonko. Mougok, c'était juste pour parler donc de ces financements à soir avec euh, ministre Bidi di euh, Victorine Ndeye ñu jàll ci beneen euh, yéenekaay ak le mu Sud Quotidien. <clears throat> Euh, excusez-moi, euh, je suis en train de chercher Sud Quotidien. Euh, D'accord, risque d'un report avec euh, risque d'un fort taux d'abstention. Nous avons des élection. Ils selon bien sûr professeur Pascal Oudian, enseignant-chercheur à l'UCAT et à l'UGB, pas à écarté à cause du dysfonctionnement du système du gouvernement actuel. Alors, moi, il parle d'abstention quand même. On, on, peut quand même penser aussi à cela quand même, au risque où certains candidats ne seront pas ne seraient pas retenus. le taux d'abstention récent. Mhm. laata 2019 mhm. niveau de participation relativement très faible. C'était lors des élections législatives de 2007. quand était la tête de liste de la coalition euh, Sopi. Mhm. l'opposition radicale dite radicale d'ailleurs boycotté les parti socialiste LD PIT AFP etc. etcetera nous cetera boycotté élection législative je me souviens que nous en étions autour de 35% de taux de participation. président Macky Sall je me rappelle. Mhm. bi à la permanence du parti démocrate sénégalais VDN ba. Mhm. on nous a convoqué après minuit à 1h moins du matin. pour nous faire une déclaration la seule phrase bi nga nous ne nous nous nous remercions et félicitons les Sénégalais qui ont voté <laughs> loolu la wax. jóg dem 35 pour cent la 2019 taux bi de d' bi ñu ko à peu près 54 taux d'abstention. abstention. kon jege na Nous ñu ngi jëm si 2024 mun nañu wax ni taux d'abstention abstention bi mun na toll foofu mu gën kaa yees wala mu gën kaa bari bu fekkee ni. Mhm. lii ñu jàpp ni mooy xew mën na mën na am. Et il amana amul orientation bo xamné bu fekkee ne dañoo définitivement Ousmane Sonko de la course. Mhm. mu nekul candidat Pastef téwul plan B joxuñu orientation de vote pour quelqu'un le taux d'abstention sera très très très élevé. waaw il faut il faut il faut ñu ñu ñu nangu ko. Mhm. maintenant fichier bi ñi ngi ci 7 millions 400 000 fa lañ jëm. 7 400 000, 400 000 yi matul mais disons que nous sommes nous avons un fichier de près de 7 millions 400 000. 7 400 000 imagine toi. te as ni si a situation mineure demain. le professeur il parle véritablement euh, il a dit comme conséquence la gouvernance actuelle. Mhm. oui. la gouvernance actuelle il faut bu respecté nous àq ak yeleefu avec beaucoup de dysfonctionnement avec des am dysfonctionnement am mm-hmm. et mm-hmm. consorts. Mm-hmm. bon nous na mun na nous si il y a un y a un taux d'abstention élevé. ça profitera beaucoup plus au pouvoir. effectivement s'il y a moins de candidats ça profitera plus au pouvoir. s'il y a un taux d'abstention si j'ai un taux de participation plus élevé, mhm. ça profite plus à l'opposition. S'il y a plus de candidats, ça profite plus à l'opposition. Mhm. Effectivement. Alors ça, ça, profite toujours à, à, l'opposition, M. Ba Je dama ci am rek man jàngat bu tuuti bu bëgg def taux d'abstention bi am Sénégal parce que quand même man ni may jàppee ni may le taux d'abstention bi dafa am loo xam dafa amul Sénégal mhm. Le mel bulletin blanc am na ñoo xam ni duñu voté ji parce que amna ñoo xam ne ji ñu ne ils se sont absents, abstenus mm-hmm. mais bu fekkoon ne xëy na am nañu possibilité wane ni ñoom exprimer wu ñu ànduma ki ànduma kële wala lu bel noonu xëy na taux d' abstention bi. dina wàññeeku. dina wàññeeku effectivement c' est c' est c' est vrai hein, donc euh, au moins que nit ki exprim exprimer euh, li nga xamante ne euh, moom moom moom la yëg alors je vais rester avec vous avant de venir avec Mbow on, va parler de la situation de l'université quand même de de Dakar donc. Euh, politique toujours hein, donc <laughs> qui, qui impacte tous les secteurs de ce pays euh, finalement euh, ils ne veulent pas ouvrir euh, le campus social de l'université ça serait dommage ça serait dommage parce que politique bi dafa de ci biir université bi bon liñuy daw comme li fi noté am ay violence à l'interne euh, parmi les étudiants ou encore aussi étudiants qui ont la am possibilité de regrouper ou ak li ma ci mën a wax daal mooy man li ma gën a soxal ci loolu mooy du point de vue pédagogique mhm. du point de vue pédagogique c'est vraiment dommage que ñu tëj jàngukaay yi nga xam ni étudiants yi waroon nañ fa mën a nekk pour mhm. dem jàngi ndax jàngi ak politique bokkul dara mhm. jàngi ak politique bokkul dara je pense que daal war nañu xool nan lañu ñu mën a fexee ba nit ñi dem di jàngi waaw maintenant nag euh, bon bu fekkee ni bon xëy na dañu xool euh, pour euh, éviter étudiants yi regroupé ou wala yu euh, la politisation au niveau de l'université dafa jéggi dayoo mhm. dafa jéggi dayoo mhm. man mun parce que man aussi j'interviens à l'université de Dakar je suis vacataire à l'université de Dakar et ça serait très dommage que vraiment on ne puisse pas aller euh, dans les amphithéâtres parce que le gouvernement bi ci ne mu pas aller. Mhm. mais aussi xëy bon c'est de la responsabilité du gouvernement qui euh, mu am yenn yo xamni war na ci bàyyi xel mhm. solution yi nak ak euh, yi muy joxe xëy na na baña and ak sa euh, enfin nekk xalaatu sénégalais yëpp waye dal ak lu ci mënti nek war nañu jéem fexé ba étudiants yi jàngi té nak li ci metti moy on sait que à Dakar même si le campus social est ouvert amna na étudiants yoo xam ne difficulté pour jàngi ah asama nak bu féké ni oh, dañ ko tëj loolu moom mënut a nekk alors bon, est-ce que euh, la politique reste un prétexte quand même Si on connaît bien l'histoire de l'université avec politique, est-ce que politique prétexte pour... Non, non. Pour, euh, euh, non, non, non, non, non, rien ne justifie cela. Ouais. a rien ne justifie cela. Mais 68, au-delà de toute autre considération, le point de départ, l'université à la banque. Mm la première personne à avoir un l'âme, c'était un étudiant. Ouais. Euh, Beaujolais, Mungatop Atti, mm -hmm. 88, même si que ni tension bi politique par rapport à la présidentielle Vous voyez, étudiants ont pris le combat avec comme tête de tête de figure. Mhm. Euh, le jeune étudiant de Thiès là ko donné donne Chacun. Chaka. Mhm. Chaka. Mhm. année année blanche stop. Ouais. mais 93 itam nañu université mu violation des franchises universitaires. jamono ji Djibo Ka ministre de l'intérieur année invalide. donc lo gis si yëngu-yëngu université da si am loxo da si am cër mais Tiananmen men Tiananmen men kan mo baare tok toog baare char de combat c'est c'était pas des étudiants ouais, effectivement euh, à Hong Kong jamono yàggul mois yi passé les militants pro-démocrates yu ñu doon police policiers chinois ñu leen di japp mhm. mais c'était qui c'était qui c'était des étudiants mhm. dans tous les pays du monde université mom dafa am lu moo xam da koy symboliser mhm. en termes de prise véritablement de position si si yenn mbir yi léegi nak xew-xew amna euh ñu amplifier ko ba paré profiter né dañu tëj université. parce que quand j'ai écouté le vice recteur. Mhm. bu mu génnee. Mhm. wax mhm. ma dama dama jàpp sama gémmiñ parce que fa ñu yóbbu affaire bi mais ndekete sori na loolu. donc euh, amna manipulation donc je me dis qu'on a usé de la manipulation pour jaare euh, tëj ci li nga xam euh, université problème ñu am da ngay gis at yo xamné ne am ay chevauchement ci at xam nga ay chevauchement day am université si ay si année bi ak année bi ay chevauchement mu nekk benn bombe sociale université mhm. du point de vue du nombre pléthorique d'étudiants mhm. ak euh, euh, condition de précarité ñuy dund autant dans le campus social condition de précarité ñuy dans autant dans le campus pédagogique léegi yow nga jël cinq mois nga ne tëj naa université bu rap et que fais-tu de de ces sénégalais jeunes sénégalais qui venaient d'avoir le bac mhm. Ils sont orientés dans l'université mais aujourd'hui ils sont en train d'être sacrifiés à tout point de vue à des fins politiques donc rien n'explique c'est de nous mm-hmm. rien rien absolument rien mm-hmm. n'explique la fermeture de l'université campus social campus pédagogique du dara calcul politicien du dara tout calcul politicien et purement politicien mm-hmm. on te dira non majorité opposition bi non je dis encore une fois c'est le communiqué du du du conseil d'administration du Là. condition yu ñuy laaj mais attends ça veut dire que non moi, moi manque de respect manque de respect à tout point de vue dernièrement je suis administration c'est un communiqué laisse tomber quoi c'est c'est des communiqués vraiment vraiment voilà quoi qui ne sont pas dignes d'une administration, surtout du sénégalaise quand même, avec l'élite qu'on a, avec tout ce qu'on a. Je suis désolé de le dire comme ça, mais des fois tu lis des communiqués de l'administration, voilà quoi, c'est vraiment ouf. Merci beaucoup. C'était bien sur la situation à l'université, nekk ci sur bu bu Sud Quotidien gannaaw Sud Quotidien euh, ñu seeti euh, Benen euh, journal pour xam ce it lan la aujourd'hui. Nous jox ma journal Benin journal en attendant bien sûr euh, euh, tout à l'heure euh, on aura Oumou Khairi Bast en direct de Tuaon pour revenir un peu sur la visite donc du Premier ministre Amadou Ba Tuaon. alors depuis le jour du groupe e ou E-Média exhumation et incinération d'un présumé homosexuel la tolérance brûlée chant et danse autour d'un cadavre immense insoutenable. Image, Imam Pouy de ITV, même considéré comme homosexuel, le musulman doit être enterré dignement. Euh, euh, le parquet de Kaolok ouvre une enquête pour barbarie et promet de sévir. Alors, moi, la question que, que, que, je vais poser, Ramona, ah, si tu as écouté euh, l'ITV avec, avec le chef de quartier, de, de, parce que le chef de quartier, Binko, Biko, yaayu waa wowe wax ko ko le chef de quartier a appelé le préfet mais le préfet ce qui lui dit moko que jotaguma benn demande d'inhumation xaw alors ce qui veut dire que cette chose pouvait être évitée c'est la c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit puis ma bi ma euh, li nga xamantene ne équipe mais mais le degré quand même de de de ce qu'on est en train de voir dans ce pays quand même ça fait peur quand même. Non, non. defe naa ni euh, imaam yi. Mhm. fuqaaw yi d' accord nañu. si li nga xam ne moo di doomu aadama lu mu munti doon. faatu moom bu jotee. Euh, am na loo xam ne dañ ko ko wara a. Mhm. Euh, ni ko waxee suule. Mhm. même bu fekkee ni li nga xam ne boo appliqué charia. am na loo xam ne doo fa yegg. maanaam dugal ko si jàkka ja si jumaa ja taxawal ko jullee ko comme nañuy defee jullit boo xam ne seede nañu kii jullit la. loolu moom def naa ni leer na. Euh, ba tax na euh, kii yóbbu nañ ko Touba lankal nañ ko te yóbbalu bés bi def naa ni boo dégloo sëñ Rafa yi Falilu Mbàkke def naa ni lam ca wax dafa leer te la te li mu wax leer na parce que boo jàngee Qur'an mhm. si biir Qur'an yaa ngi dégg ni yàlla di wax di ñu nettali naan ñu mhm. aad yi ak tamut yi mhm. maa leen faagaagal maa jël suuf wëlbati ko boole la ay picc yu yore ay xeer yoo xam ne <laughs> safara la di leen ko dóor seen dënn yi di xotteeku ñuy yëg métit wa maanaam mbugal bi gën a mbugal fa mu yen te lu tax góor góor jigéen tey dam sodom si boppam sodomisé lu tubaab naan sodomisé góor jëlee góor ginnaaw ñu baal ma ci kàddu gi mhm. sodomisé boobu mi nga jóge si sodom mhm. <laughs> doon capital ñooñee mhm. donc pour di ngóor jigéen yàgg na te pour te dire que mbañeel gi yàlla mbañeel ngóor jigéen gis nga nu leen nu leen nu mu leen alagee mhm. ba tax ñun daal yàlla yàlla musal daal si góor jigéen mhm. waaye nag ñun bu dee journaliste que nous sommes mhm. on ne traitera pas la personne d'homosexuel dañ naan présumé comme nu ko bés bi bindee parce que i tamit dara leeru la ci dara wóoru la